ñu wax ne daje tey bi nga xamante am nañ ko euh, sabab bi mooy euh, équipe municipale bi li nga xam ne waru a bi nga concerné xale yi mu di jeunes yi ndax euh, yàlla dimbali leen ba ñu am am

lii mën a yomb mooy euh, le président Macky Sall euh, pour gunge ndaw ñi ak jàppale leen dafa jël benn initiative boo xam ne dañ ko tuddee mu di programme bi mu tuddee xëyu ndaw yi léegi loolu nag pour mu mën a nekk xale yi mën a am liggéey walla mën a créer entreprise dafa taxawal li ñu tuddee benn dispositif boo xamante ni dafa lëkkale. Euh, structure yi nga xam ne yëpp dañuy yëngatu si wàllu xëyu ndaw yi boole leen euh, jël ANPEJ mu ne leen na ngeen saytu xale yi képp koo xamante ne kii ndaw la na ngeen fexe ba mu ñëw bindu si plateforme bi nga xam ne yéen a ko tëral ñu xam la mu man diplôme ba mu yor ak buñ ko doon jàppale si ban anam lañ koy jàppale ANPEJ moo leen di enrôler moy def sélection bu defee sélection bu paré 3 SPT bu féké dafa am ño xamante dañ leen wara former 3FPT moy jël ñi nga xam dañ leen di former lëkkaloo ak euh, des structures de formation bu melni ni Solimo léegi ñu former leen formation mucc ci ba euh, bu ñuy wut liggéey du jafé pour ñu am ko wala bu ñu leen joxee liggéey dinañ ko mëna doxal na mu waree euh, bu ñu leen former ba pare nag ANPEJ moy japp seetaat ñi nga xamné war nañ leen mëna financer ak si nan lañ leen di financer euh, ñu faire intervenir en ce moment euh, la DER voilà DER mom li muy to moy financement légui donc bu ñu seetee processus bi euh, dispositif bu cohérent lay nekk manam dañ leen di sélectionner ANPEJ moy liggéeyam mooy si lañ ñëwé tay fi yeen pour jël ñëpp enrôler leen bu ñu def sélection ñi leen war a former mu di 3FPT wala ñeneen formé leen bu ñu paree ñañ war a financer ñu ne ñii nañ leen financé ñii nii ñii na la ba mu jeex mu di DER alors si loolu nag la ñu euh, ñaan pour que xale yeen ñu jox leen seen chance si dispositif boobu boo koy seet li waroon mooy ANPEJ ni mu organisé woo mu di région Sénégal bu nekk ñoom fa antenne régionale euh, euh, bu tudd emploi entrepreneuriat

mais dañ leen di gërëm bu baax di leen sant ndax ñun loolu lañ bëggoon di wax ne euh, mais xale yi euh, gàcce ngaalaam ndax bi leen yëgalee mais mënoon nañu toog wala ne ay leneen la mais fi may waxee geen lu ma téeméer ak lu topp bindu nañu parce que xale yi ni ñu ñëw noonu la ñuy inscrire mais euh, liste bi ñu yor ba fi may waxee geen ni actuellement tàmbalee ñu ngi soog a tàmbali ëpp na téeméeri xale yoo xam ne ñëw nañu te ku nekk da nga bëgg am xëy te bu soobee yàlla di nga bind. loolu nag li muy wane mooy liñ leen wax soxal na leen yittal na leen ba bàyyi nañ seen soxla ñëw fii mu di jigéen ak góor nag ñoom ñu ngi fi toog léegi rek ñuy ñaan comme ni ko ANPEJ waxee te seen directeur antenne régionale bu Dakar mu di Assane Ba ñëw tey waxe ko sànq mooy bu soobee yàlla dañ fi yandu tey bind ba waxtu bi jot ñu wàcc waaye bu fekkee jeexulit it ëllëg dinañ xëyaat continuer ba ñi nga xam ne ñu bëgg nañ bind ñu bind leen

Euh, ñëpp sax bu mënee nag euh, ku si nekk ñëw fii tey bindu yàlla def ba nga jóge fi am liggéey amam xëy loolu la ñuy ñaan ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di gërëm waa ANPEJ euh, di wax ne aussi waa 3FPT ñi def formation bokk nañ si équipe bi ñëw Solimo aussi mu di structure boo xam ne day def formation lëkkaloo ak ANPEJ te ñun ñu sañ ak ñoom benn convention boo xamante ne bu fi jógee xale yu bari dañ leen mën defar formation fii gunge leen nit ba ñu am liggéey wala créer seen entreprise donc loolu aussi luy ñëw la ci semaine yi bu soobee yàlla dinañ ci jóg ñu ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf